partout dans le monde. Donc euh, cette crise liée à cette maladie pose d'énormes problèmes. Et ces problèmes sont surtout notés également par rapport aux patients qui sont les patients les plus graves. Euh, ce que je peux dire en tout cas pour le Sénégal, une attitude rassurante peut être déjà constatée par rapport à certaines mesures de prévention qui, sont déjà, qui ont déjà été prises mais également par rapport à certains points forts qui sont dans le plan de riposte. Et dans ce plan de riposte, pour la prise en charge de ces patients graves, toutes les équipes impliquées dans la prise en charge des malades graves en général, que ce sont les services d'urgence, ce sont les services de réanimation, le SAMU, le service privé. Toutes ces entités se concertent et se concertent tous les jours pour mettre en place des protocoles pour mettre en place, adaptés en tout cas, pour apporter vraiment une réponse à, à la prise en charge de ces, plans, de ces patients graves. Ce qu'il faut noter également, c'est que il y a eu une très bonne anticipation par rapport aux lits de réanimation. Les lits de réanimation manquent dans le monde entier. Même en dehors du Covid, dans le monde entier, les lits de réanimation, c'est vraiment, en médecine, c'est les lits de réanimation qui manquent le plus. Parce qu'un lit de réanimation euh, complet et nécessite tellement de ressources en équipement, tellement de ressources également humaines, et que le monde entier, même aux États-Unis aujourd'hui, et c'est la crise qui vient démasquer en tout cas toutes ces insuffisances par rapport à, euh, à la disponibilité de ces lits. Ce qui a été fait au Sénégal, c'est que dans un souci d'anticipation par rapport à la prise en charge 56 lits de réanimation ont été préparés et dégagés en tout cas pour répondre à cette riposte. Et ces lits sont répartis à Dakar dans différents hôpitaux. D'abord au niveau de l'hôpital FAN, où on a le centre Quemo, où on a pris en charge nos deux patients graves qui se sont aggravés tout récemment. Mais également, il y a le service de réanimation de la chirurgie cardiovasculaire. Il y a également un service de réanimation qui a été remis à neuf au niveau du service des maladies infectieuses. Il y a l'hôpital d'Al-Djam également qui est en train de mettre aux normes, de finaliser très rapidement et de disponibiliser son service de réanimation. Mais il y a également un certain nombre de lits de réanimation qui ont été aménagés dans le CTE de Djamnyadjo. En dehors de ces 56 lits, je voudrais rassurer, il y a encore 40 lits qui sont en cours, en tout cas, de mise à disposition au niveau des hôpitaux. Je peux citer l'hôpital Aristide Le Dantec qui a déjà mis en place un certain nombre de lits de réanimation dans un centre dédié. C'est le cas également de l'hôpital euh, général de Grand c'est le cas également de l'hôpital de Pékin. La question sur les respirateurs revient très souvent. Au Sénégal, a-t-on assez de respirateurs pour prendre en charge Moi, je voudrais rassurer que la prise en charge de ces cas graves, même si le virus, le coronavirus, a un trophisme en tout cas sur l'appareil respiratoire. La défense respiratoire dans l'aggravation est la première chose à constater. Mais ce n'est pas réellement le respirateur. Tous les malades n'ont pas besoin de respirateur. C'est une phase de prise en charge qui est assez longue. Dans un premier temps, les malades doivent être oxygénés, les malades doivent être surveillés. Il y a d'autres, le professeur le disait tout à l'heure, il y a des comorbidités qui participent à l'aggravation qu'il faut corriger. Donc, il y a vraiment une étape essentielle. Ce n'est pas tous les malades qui ont besoin de respirateurs. Mais malgré ça, quand même, beaucoup d'efforts ont été faits pour la mise à disposition, en tout cas, de respirateurs, de réquisition même de respirateurs qui n'étaient peut-être euh, euh, pas utilisés ou bien qui étaient euh, en maintenance avec la direction des infrastructures et des équipements. Un parc de respirateurs, en tout cas, a été mis à la disposition de ces équipes et seront installés dans les différents sites de prise en charge au-delà de l'équipement, il y a les ressources humaines. on sait très bien que, tout le temps, on le disait, les anesthésistes réanimateurs ne sont pas très nombreux. Mais au Sénégal, quand même, on en a dénombré, dénombré 96, répartis dans les structures publiques et dans les structures privées. Et la société, en tout cas savante, la société sénégalaise des anesthésistes réanimateurs et des médecins urgentistes, qui s'est réunie très récemment, en tout cas, est en train de proposer euh, des procédures, et en train de proposer, en tout cas, euh, euh beaucoup. mais dans toutes les régions du Sénégal, il y a un service de réanimation. Mais la particularité de cette maladie, c'est une maladie contagieuse. Et la vie continue, parce qu'on a d'autres maladies qui sont encore là. On a encore le fardeau des urgences obstétricales, le fardeau des urgences cardiovasculaires, les urgences euh, les urgences liées, euh, le fardeau lié aux urgences métaboliques. On a énormément d'urgences qui sont encore là. Même d'autres pathologies respiratoires qui ne sont pas liées au Covid, dont la prise en charge doit se faire dans les services de réanimation. Et donc, puisque c'est une maladie contagieuse, et donc c'est ça qui rend la problématique un peu difficile. C'est d'abord créer un espace où les autres malades pris en charge ne seront pas contaminés, mais également donc, euh, mettre les équipements nécessaires pour rendre encore beaucoup plus fonctionnels ces services qui ont été dédiés dans les régions. C'est ainsi qu'à Saint-Louis, également, il y a des lits dédiés, en tout cas pour la réanimation. À Kaulak, ça a été fait. À Thiès, c'est en cours. Et à Djurbel, récemment, donc, on me renseigne donc, sur cette disponibilité. C'était noté à Dakar au Sénégal. On va y revenir. Euh, qui ont été hospitalisés euh, la semaine dernière, je pense que c'est le 26 et 27 mars, qui ont été dans un premier temps évacués par euh, les services du SAMU national au niveau du centre de traitement de l'hôpital FAN où une surveillance continue est mise en place. Donc, euh, et dans toutes les salles, d'ailleurs, je rappelle que même dans l'hospitalisation classique, c'est des malades qui ont un appareil de monitorage, mais qui peuvent être oxygénés également dans ces centres, où les équipes sont là et font une surveillance 24 heures sur 24. C'est dans ce cadre que cette aggravation a été notée. donc, toutes les équipes se sont retrouvées sur place, même dans la nuit, d'abord à 4 heures du matin. C'est d'abord les équipes de réanimation de l'hôpital de FAN, de la chirurgie cardiovasculaire, les équipes du professeur Oumar Khan, les équipes du SAMU national se sont retrouvées, étaient au ses patients, ont discuté longuement et finalement on a du transfert en réanimation. Et c'est au cours de cette prise en charge en réanimation donc que regretté, en tout cas Pape Diouf a perdu la vie et nous présentons nos condoléances d'abord à toute sa famille, à M. le Président de la République d'ailleurs, à tous les Sénégalais mais également à toute la diaspora, à particulièrement donc euh, aux Marseillais je reviens également sur les demandes d'évacuation. J'avoue que ce n'était pas un problème de disponibilité du plateau technique. Je vous rappelle que le service de réanimation où ces patients ont été pris en charge, qu'on a mis en place au niveau de l'hôpital de Fan à Cuemo, je rappelle que c'est un service qui a des normes européennes. Parce que c'est des malades opérés du cœur, de pathologies cardiaques sévères qui sont pris en charge dans cette réanimation. Donc on ne peut pas parler d'équipement ou bien de nos disponibilités d'un plateau technique. Et ces rapatriements ont été demandés, et c'est très courant, c'est très courant, nous, euh, en dehors de, la, maladie, quasiment des, centaines d'évacuations sanitaires sont, faites donc, euh, sous demande de la, famille, parce que simplement, c'est des patients qui résidaient donc à l'étranger. Je reviens sur la gravité de la maladie, très rapidement. la gravité de la maladie, euh, liée au fait que le virus, je le disais tantôt, a un trophisme respiratoires. C'est les voies respiratoires qui sont attaquées le plus souvent et ça détermine une complication qui est assez grave. Et cette complication, en fait, même en dehors du, Covid, c'est une complication qui est connue. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est une pathologie qui est très grave, dont la prise en charge se fait en réanimation avec un taux de mortalité qui est quand même élevé. Même dans les pays développés, un taux de... Si vous voyez, le taux de décès que nous notons dans les pays développés, c'est lié à ça la mortalité liée au syndrome de détresse respiratoire aiguë, même dans les pays développés, les réanimations les plus équipées, est, voisine de 30%. Et ce qui explique donc, associé à une maladie infectieuse aussi sévère, ce qui explique donc, si vous voyez à la télé, ce nombre de décès très élevé dans les pays développés. On avait dit tantôt que cette pathologie s'aggravait sur des terrains avec comorbidité. C'était les personnes âgées qui ont des tares, d'autres comorbidités, dont le diabète, dont euh, les maladies cardiaques, dont une maladie respiratoire préexistante, dont d'autres maladies métaboliques, dont le diabète, dont autre chose. Mais récemment, la littérature a montré que on a commencé à noter ces complications graves, même chez des sujets jeunes de la quarantaine. Et même tout récemment, chez des adolescents. Et ce matin, j'ai été étonné, j'ai entendu même un décès de nourrisson de deux mois aux États-Unis dans le Connecticut. Donc cette maladie n'a pas encore fini de nous révéler, en tout cas, ses facettes. Et j'insiste, c'est pour finir, que mon collègue l'a dit tout à l'heure, qu'on ne doit pas baisser la garde. On doit continuer encore la préparation, continuer à améliorer la riposte à tous les niveaux. Mais surtout, surtout, surtout, on ne le dira jamais assez, insister sur la prévention, les gestes barrières. Chacun doit surveiller son prochain. Chacun doit se considérer comme étant potentiellement porteur de cette maladie et considérer son vis-à-vis comme étant potentiellement porteur de cette maladie. Comme ça, ces gestes barrières seront respectés et toutes les, en tout cas, précautions seront prises afin de limiter la diffusion de cette maladie dans notre pays. Je vous remercie. Euh, ma wolof euh, le 2 mars si le Sénégal le premier cas malades euh, atteints de coronavirus maladie bobu, ñuy Covid 19. damay wax ni fièvre bobu fièvre bu jaaxal bi yépp la du dëkk bu am moyen du dëkk bu amul moyen donc même dëkk yi développé yi donc maladie bobu, mi ngi di jaaxal donc Sénégal depuis avant sax ñuy am cas si les commencé commencé préparation et préparation bobu tamit taxna tous les secteurs ont été impliqués préparation boobu journa na prévoir nañ ko même euh yu nga xamanteni ni sauvetage commencé nañ si réfléchir yagna, amna ay réunions yu bari yu ñu def ci famille anesthésistes réanimateurs yi ci famille médecins urgentistes yi euh, si universitaires si suñu collègues yépp doon nañu réfléchir pour xool ñun yan protocole yan procédure lañu ñu mom ni moom en tout cas pour que suñu amé cas yu grave yoy ñu mun a euh, apporter réponse bi nga xamante mom moom moo si war euh, lalu réanimation nak souvent question bobu dina dinañ ko dégg lu bari parce que gis nañ ni fièvre bi su yeggee yenn day wi si sauvetage lañ leen di fajé ñu bari nak ñi ngi laajte ba xam Sénégal am nañu li réanimation yu bari noté nañu nak que ci fièvre bi rek organisation bu am importance def nañ ko ba mettre en place ay lelu réanimation sauvetage yo xamanteni dina mën jël en charge maladie té loolu sax des na parce que ñi ngi yokkat ñi ngi commandé waat ay équipement ñi ngi commandé waat ay respirateurs ñi ngi sax di jël ay respirateurs yi nga xamanteni ñi ngi woon ci yenn hôpitaux yo xam kenn utiliser ko pour équiper en tout cas ay lal yo xamanteni ni dinañu jëriñ su fekkee fièvre bi aggravé wul damay insister sur la gravité fièvre bi kooku tamit euh, solo parce que fièvre bi dañ complication yi ñi problème problème respiration ñi am problème ñi un problème diabète mooy problème métabolique lay a la sax waaye nag li ñu fan yi passé bàyyiwu leen si cas grave yi noté nañu que tout récemment en tout cas si nga xamante ni nit ñi nga xamante ni ñoo hospitalisé réanimation si dëkk yi nga xamante ni feebar ba vraiment taxaw na fa dëgg dëgg dëgg ñi am mois de 40 ans sax ñi ngi leen di hospitalisé réanimation te sax si mortalité bi sax ñu ngi koy noté si dëkk yooyu. récemment tey si suba sax dégg naa benn bébé boo xamante ni sax feebar bi rey na ko donc feebar bi daal vraiment cas grave yi kenn loolu tax na prévention bi kenn waru si baissé garde. donc vraiment di ñaax di ñaax population yi sama collègue yi wax nañ ko di ñaax population yi di ñaax collectivité yi di ñaax ñëpp que prévention yi manière mesure de prévention yi nga xamante ni euh, digle nañ ko ministère de la santé digle nañ ko donc nit ñi gën si góorgóorlu dinaa dellu si tamit si évacuation sanitaire bi nga xamante ni ñi ñi ngi koy laajte ni am nañ suñu euh, malade yoo xamante ni hospitalisé woon nañ réanimation dañ leen a évacuer à l'étranger est-ce que parce que Sénégal amul dispositif bi war man daal li ma gis en tout cas service bi nga xamante ne fi lañ la hospitalisé woon ma xam service boobu bu baax muy réanimation cardiovasculaire bu Koyma bu professeur Oumar Kane di diriger hôpital Fan donc réanimation boobu amul dara loo xamante ni mun na ko mun na ko euh, ñee réanimation yi ñu gis Europe léegi nag dafa nekk ñoo xamante ni euh, Europe lañ dëkk c'est tout à fait normal loolu ça, dañ koy noter très souvent évacuation sanitaire moom dafa en général ku ñëw fii même lu ndaw ndaw ndaw dañuy demander évacuer sanitaire seen pays mais là, mais rassurez ni évacuation sanitaire yooyu c'était pas lu tax ni suñu plateau technique l'un ou l'autre, warul woon mënul woon woon Et donc mais insister sur ci prévention bi ba dit di rafetlu liggéey bu rafet bi nga xamante en tout cas ñu quoi, koy liggéey ministre de la santé mu dit ko euh, équipe yëpp ñëpp taxaw duñu am goudi amuñu bëccëg euh, taxaw population yi euh, euh, coordine yenen secteur yi coordination opérationnelle le comité national de gestion des épidémies vraiment personnel yi nga xamanteni ñi ngi liggéey ci hôpitaux yi kenn du leen faté personnel yi nga xamanteni tamit ñi ngi liggéey ci ambulance yi ñom ñoy dem di jëli malade yi di dugg ci centre traitement yi donc ñoo ñëpp vraiment mangi profito personnel institut Pasteur personnel yi nga xamanteni ñi ngi liggéey si cellule d' alerte yi du ñu fanaan ñu ngi ci téléphone yi vraiment bayiwuma kenn journaliste yi ñi nga xam tamit vraiment rôle bi ñu joué fi vraiment rafet na parce que euh, quelqu'un le disait qui euh, euh, docteur Bousso mu ngi ko doon wax légui que ni li du combat au santé combat wu ñëpp la defe naa ne combat wu sax communauté bi la defe naa suñu topato topato digël yoy yëpp bu paré ku nekk bay sa waar dinañu am ndam si feebar bi maa ngi leen di sant leen gërëm.